هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن إن ينطق فعليه وقار وكأن الجوهر يتحدى الله الله الله الله الله الله الله أو يقبل فالليل نهار وكأن البدر لنا أسفر وخير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن النور الأزهر في وجهه ينبي عن أسرار الحياة الله الله الله الله الله الله وكأن البسمة في ثغره تفتر بنور وضاء خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن يمشي هونا يغضي عينا يزدان بوجه وضاء الله الله الله الله الله الله الله الله فانظر لترى فيه كونا من أوصاف فيه ملاح وخير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن أوصاف فيهن كمال ودين وحياء وعفاء الله الله الله الله الله الله الله الله وجمال يغشاه جلال قد تمت فيه الأوصاف الله وهو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن إن ينطق فعليه وقار وكأن الجوهر يتحدى الله الله الله الله الله الله الله أو يقبل فالليل نهار وكأن البدر لنا أسفر وخير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن النور الأزهر في وجهه ينبي عن أسرار حياة الله الله الله الله الله الله وكأن البسمة في ثغره تفتر بنور وضاء خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن يمشي هونا يغضي عينا يزدان بوجه وضاء الله الله الله الله الله الله الله الله فانظر لترى فيه كونا من أوصاف فيه ملاح وخير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن أوصاف فيهن كمال ودين وحياء وعفاء الله الله الله الله Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les ministres présents, Messieurs les parrains de la cérémonie, les concitoyens, ils auraient pu rester dans leur confort et jouir des privilèges, mais non. Ces hommes que nous qualifions désormais de héros ont contribué à rendre le monde meilleur. Ici, nous sommes bien dans ce cadre. La cérémonie de remise officielle des trophées de la personnalité de l'année 2020, décernée à l'imam Mahmoud Dibo, est non Depuis lors de la démocratie, il a été au cœur de démocratique. Une cérémonie qui ne serait être à la dimension de l'homme que nous célébrons aujourd'hui, mais très symbolique. Et dans cet cadre qui vit avec les grands événements, dans un cadre magnifique du CICB, j'allais dire, un véritable palais où des grandes et importantes cérémonies ont eu lieu. Oui, a pris cette grande cérémonie de reconnaissance à un grand homme qui aura couronné à ce grand pays, le Mali. Cette année, de de le l'histoire le Mali, Plus leur destin en main pour sauver le de Mali qui tanguait et qui était sur le point de chavirer. Alors, monsieur le ministre, président de la cérémonie, chef paille, la cérémonie de l'église est trophée sera marquée par 12 temps forts qui s'étaient des remises d'attestation et enfin un point de presse. Sans plus tarder, avec votre permission, Monsieur le ministre, nous allons inviter les enfants de Paris Production pour l'exécution de l'île national. Veuillez lever les chefs Auguste Assemblée pour l'exécution de lignes national. este, no sé. Madame le maire de la commune 3 a délivré son discours de bienvenue à nos illustres personnalités que sa localité abrite ce matin. Monsieur Mohamed Kouloubali, s'il vous plaît. Bonjour. Et à la hauteur de sa signification pour me donner de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je remercie très sincèrement les initiateurs de cet événement, ceux qui se sont investis pour cette cérémonie qui est une œuvre patriotique de leur part. À mon nom propre et au nom de nos mandats, je souhaite la bienvenue en Commune 3. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, suivons la présentation de Forum Libre. Le Forum Libre a son siège à Bakodikoroné-Castini, en commune 5 du district de Bamako. Le Forum Libre se prononce sur la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, tout en restant une association à but non lucratif et non confessionnel. Le Forum Libre a pour objectif développer des connaissances sur la vie de la nation, créer un espace d'échange, d'écoute et de concertation à travers le Mali et l'Afrique, participer au développement socio-économique du pays, promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, le patriotisme, et l'excellence au Mali, en prônant la paix, la liberté, la justice, l'égalité et la solidarité entre tous les peuples défendre les droits humains en Mali et en Afrique. S'élever énergiquement contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants. Mobiliser toutes les composantes de la société civile malienne autour des problèmes de la nation. Développer la culture de l'excellence, du langage, de la vérité et de la justice donner une nouvelle impulsion à la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement œuvrer pour le triomphe de notre vision, c'est-à-dire celui du développement du Mali dans la paix et dans la démocratie, ancré dans les valeurs africaines et surtout maliennes. Le Forum livre de sa création à nos jours a mené plusieurs actions, dont la création de l'Alliance pour une participation massive aux élections APME en 2006. La signature du protocole d'accord avec les syndicats les associations, les ONG, les GUE, dans le cadre de la mobilisation totale aux élections présidentielles de 2007. La plantation de plus de 47 000 arbres à travers le pays. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le Forum Libre a organisé des matchs de football féminin pour sensibiliser les populations vulnérables en distribuant plus de 50 000 moustiquaires plusieurs conférences débats ont été organisées pour sensibiliser et mobiliser dans les six communes de Bamako, Kati et plusieurs localités sur les thèmes citoyenneté, droit de vote, formation des électeurs, la gestion des conflits, les violences faites aux femmes et les problématiques de l'excision. Pour mieux préparer les élections de 2007, le Forum Libre a formé plus de 800 membres de l'association et organiser des rencontres avec les leaders politiques et la société civile, participer au recensement, au retrait et à la distribution des cartes d'électeurs. En 2011, création du mouvement Je vote, issu du Forum libre, dont l'objectif principal est de contribuer à élever les taux de participation aux échéances électorales de 2012. Les objectifs spécifiques sont sensibiliser les électeurs, former des équipes de relais, contribuer à moraliser les résultats des électeurs. En juin 2012, le forum a organisé une soirée gala de collecte de fonds en faveur des enfants orphelins et veuves de la guerre du nord du Mali. Distribuer des kits scolaires à plus de 75 000 élèves dans toutes les régions du Mali, organiser des conférences débats sur l'union sacrée autour de nos forces armées et de sécurité. Le forum a également fait des sensibilisations sur l'accord cadre dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Ainsi, le forum dans ses activités veut discerner des différents pays à ceux qui se sont illustrés dans le domaine de la bonne gouvernance, le patriotisme, l'excellence et la paix en vue de soutenir les actions des autorités du pays. Mesdames et messieurs, je vous prie de mettre vos téléphones en mode silencieux pour répondre au nom de la cérémonie. Merci de votre compréhension. Ils sont deux parrains à accompagner cet événement. Nous les avons approchés nous n'ont opposé aucun M. Agatam Ag Alassane, ancien ministre, directeur national du génie rural, et M. Alou Badra Diallo, président d'ADP Maliba, PDG de Wassolo Or. Nous leur disons merci pour leur disponibilité et leur promptitude à accompagner cette activité qui honore l'imam Mahmoud Diko pour toutes ses actions pour le Mali. Alors, sans plus tarder, nous allons les inviter ici pour leur intervention. Nous allons commencer par M. Agatam Ag Alassane pour son intervention et à sa suite viendra M. Alou Badra Merci pour les commentaires. <coughs> Excusez, j'aurais peut-être la voix qui n'est pas très bonne parce que j'ai été affecté par un rime, même si on n'ose plus dire qu'on a les rimes. Et je pense qu'il faut continuer à dire qu'on a les rimes, on a la grippe, parce qu'on les a toujours vécues. Distingué <coughs> Imam Mahmoud Diko, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le Président du Forum Libre, Monsieur Aliou Badra Diallo, président de euh, ADP Maliba. Ah d'accord. <laughs> Euh, autant pour moi. Monsieur le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs, chère assistance, eh, l'occasion normalement n'est pas de faire un discours, eh, mais je vais tenter de dire quelques mots parce que la cérémonie, elle est organisée pour une illustre personnalité. Et <clears throat> j'hésitais. En arrivant ici, j'ai un doute, ou j'ai eu quelques doutes sur mes capacités à parler d'événements concernant un homme d'une aussi grande épaisseur comme notre imam Mahmoud Diko. comme vous le remarquez dans l'émotion qui m'envahit, il y a comme une sorte de mélange de peur et de joie qui me tiraille. Peur de ne pouvoir être à la hauteur d'un tel événement, mais la joie d'avoir eu les occasions ou les, surprise surprises d'être choisi par parmi tant de Maliens dont la grande majorité me dépasse certainement en compétence, mais aussi en notoriété. Mesdames et messieurs, la responsabilité est grave, mais c'est aussi avec un grand honneur et un immense plaisir que j'ai accepté le parrainage de l'élection du respectueux imam comme homme de l'année. Connaissant bien l'imam Mahmoud Dikou, je suis convaincu qu'il prend cette distinction avec beaucoup d'humilité. N'ayez aucun doute, mesdames et messieurs, que son cœur partage cette satisfaction avec tant d'amis ici présents et des milliers d'autres qui n'ont pu faire le déplacement malgré eux. En tous les cas, le moment est unique et exceptionnel de partager une matinée agréable pour apporter un soutien moral non négligeable à un sage imam, le sage imam Mahmoud Distingué imam, à vous je m'adresse, mais je vais le titoyer pour lui dire que j'ai de l'affection pour lui. Sois certain et ne doute que l'ensemble de tes admirateurs, du dedans comme du dehors, parce que j'ai suis sûr qu'il y en a qui sont bloqués dehors, te vous, une reconnaissance particulière pour le travail inlassable et désintéressé accompli dans le seul but de mettre le pays sur la voie du développement et la nation sur celle de la réconciliation. Leur attachement à ta personne ne souffre d'aucune hésitation, encore moins d'aucun calcul possible ton attitude et ton comportement gandhien, on vient d'évoquer Gandhi tout de suite, montrent avec éloquence que le matériel ici-bas n'est point ta priorité. Tu as eu des occasions plusieurs fois répétées. Tu as eu des occasions plusieurs fois répétées de te hisser au sommet. Mais tu as toujours choisi de céder l'ascenseur aux autres. Cette attitude, rare de nos jours, atteste à suffisance de ton attachement profond aux valeurs qui font les grands hommes aux dépens de celles qui font les grands riches. En cette circonstance heureuse, puisse Allah, le très miséricordieux, dans sa clémence infinie, te payer, car nous, nous ne pouvons te payer, faibles et mortels que nous sommes. Ton humilité et ta modestie ne laissent aucune place dans ton comportement à l'orgueil et à la vanité. Mesdames et messieurs, l'imam Diko est une légende vivante, dotée d'une grande densité morale, intellectuelle et humaine. Je voudrais, en son nom, remercier profondément les forums libres pour son choix. Choix opéré en ces, en temps où l'unanimité est devenue la chose la plus rare, surtout avec l'explosion des nouvelles technologies de, de l'information et de la communication, grâce auxquelles je vois beaucoup de jeunes dans la salle, les internautes agissent et réagissent par des postes pour aimer ou non. Dans la formule, j'aime, je n'aime pas. Alors donc, chaque fois que vous avez choisi quelqu'un, on ne peut jamais faire l'unanimité autour de lui. Et je pense que l'imam comprend cela. En les glorifiant, malgré les timides, que notre pays a connu ces dernières années. L'imam Diko s'est toujours bâti pour que les Maliens aient un destin commun, symbole d'une nation soudée, réconciliée et engagée dans la voie du futur, une voie sur laquelle personne n'est abandonné au bord de la route. Je disais donc en le glorifiant aujourd'hui nous renforçons en lui ce qu'il a toujours voulu être, un pont entre les différentes communautés de notre pays, multiculturel et multiconfessionnel. Lui n'appartient à aucune communauté. Il nous a toujours appris par ses prêches d'imam avertis et éclairés que le musulman n'a d'origine ou d'ethnie. Il est le frère de l'autre quelle que soit sa couleur ou sa provenance. Et c'est cela, mesdames et messieurs, qui permet à l'imam du coup de se tenir, mais aussi de se maintenir au-dessus de la mêlée. Par votre présence massive et qualitative, l'imam vit en ce moment des instants de bonheur et de joie. Le bonheur que sent toute personne aimée, car vous aimez l'imam Mahmoud. Nous aimons l'imam Mahmoud. Nous l'aimons pas parce qu'il est extraordinaire, mais tout simplement parce qu'il fédère nos opinions et nos pensées. L'imam Mahmoud s'est toujours engagé dans les luttes du peuple pour ses droits avec vous, avec nous. Mesdames et messieurs, vous êtes aussi, vous, des étoiles. Chacune d'entre vous, chacun d'entre vous peut briller. Il de, <coughs> il suffit de mettre en action l'énergie qui dort en chacun de vous pour devenir aussi homme de l'année, pourquoi pas femme de l'année. Je vous dis une citation du, Dalai Lama qui dit ceci, je cite, Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Dixit Dalai Lama. Mesdames et messieurs, si je m'emploie à dire tout du prestigieux personnage du jour et de son œuvre. Nous allons certainement passer la journée et la nuit ici. Euh, et les Dogons, ils ont, besoin de manger le tout à midi. Donc, permettez-moi de conclure en disant à la nouvelle génération qui habite densement cette salle que le plus bel hommage qu'elle peut rendre à l'imam Diko est sûrement de se montrer digne de l'immense héritage qu'il aura légué. Je vous remercie. Merci, merci pour ces bonnes paroles. Nous invitons à présent M. Alou Boubacar, ce n'est pas Badra. Tous ceux qui, comme moi, ont l'habitude d'appeler Badra, terminé aujourd'hui. Prochainement, c'est Poubaka et c'est ça d'ailleurs. Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Tous les Aliou sont Badra, donc vous pouvez toujours m'appeler Aliou Badra. Même dans ma famille, on m'appelle Badra. Euh, Bomanankana. imam mahmud diko bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min dɔn mali la diinɛ ɲɛmɔgɔ don alimami don n bɛ fɛnw do dɔ a la n b'a dɔn kuranɛ a y'o barika sɔrɔ a ye kuranɛ maritaba sɔrɔ a ye kuranɛ magama sɔrɔ a ye kuranɛ fayida sɔrɔ a ye kuranɛ siriw bɛɛ sɔrɔ mɛ nin bɛɛ a ye mun kɛ n'a ye ne ka kɔrɔsili la a ye fɛn fila de kɛ n'a ye a ye ala bato n'a ye a ye mali lafasa n'a ye mali bɛ lahala mun na bi bɛɛ b'a dɔn wagati sera sa mɔgɔ ɲumanw minnu ko ala kira u ka don ko la lakanabaliya sera hakɛ mun na jamana tiɲɛna ka se hakɛ mun na sisan wakati sera fo mɔgɔ ɲumanw da n'u bolo n'u sen ka don a la mahamudu ka wulikajɔ y'o de yira ko a ye dɔɔni fɛn fɛn sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ a ye bonya fɛn fɛn sɔrɔ ka ala batuli b'a la a wulila ka jɔ ka mali lafasa n'a ye bɛɛ y'a ye 2020 kɔnɔ 2020 kɔnɔ bɛɛ y'a ye a ka cɛsiri kɛra mun ye pour que daga mun tun man da la a bɛ bɔ an da la cogo min n'i ko i b'o fɔ bi i da bɛ jɛngɛ ye ko ye fɔ kɔ b'o la bɛɛ y'o ye dunan bɛɛ y'o ye bɛɛ bɛ se k'o lakali ɛɛ mamudu ye mɔgɔ mun ye a natalen bɛ mali mun na ni ala sɔnna n b'a lɔ a ka wuli ka jɔ b'an dɛmɛ an bɛ se o mali in na mun tora ka duwawu kɛ mahamudu i ka wuli ka jɔ an bɛ mun ɲinina mali ye ala k'a kɛ an ni bɛɛ ɲɛnako ye an bɛɛ k'a ye ni sijan ani kɛnɛya ani labankoɲuman ye i sara kɔni a tɛ anw bolo a tɛ maliyɛnw bolo mɛ an b'a fɔ ala k'i sara Nous saluons ici la présence de M. Chakadjara, l'envoyé spécial du Premier ministre. S'il est dans l'assistance, il peut se lever pour que nous puissions l'acclamer. M. Chakadjara. Je représente ici Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci pour la présence. Le Forum libre, en marge de cette remise de trophée a décidé aussi de donner des attestations à certains jeunes et radios libres qui se sont illustrés dans ce combat ou encore la lutte pour le changement. À présent, je vais appeler ici Monsieur le maire de la commune 3 qui va remettre l'attestation à un certain nombre de jeunes et radios à sa suite, je vais inviter ici le docteur Shogel Koukala Maïga pour remettre les autres. Pour rappel, Dunga Maïga reçoit le prix de jeune leader de l'année. de Moussa Sayon Kamara présent,

Ben Jara. Aluseni hein? Diallo, il est là. La radio Nieta. Radio Renouveau TV se prépare. Radio Nieta, c'est qui Renouveau TV La radio d'Ambé se prépare. La radio d'Ambé Adama Ben Djara, il n'est pas là. Adama Ben Benjara, qui peut prendre à sa place Founé, notre brave dame, on l'acclame s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, docteur Shogel Kogala Un homme de conviction, un homme constant, qui au fort de la révolution a tenu, ce n'était pas facile. Il fallait supporter les attaques, les dénigrements, mais l'homme est resté fidèle à lui-même. Il a combattu jusqu'au bout. Ce sont des valeurs sûres. L'homme a foi en ce qu'il fait et en ce qu'il dit. La pureté de son cœur lui a valu une récompense à hauteur de soin. Voilà depuis plusieurs années que nous avons suivi l'homme pour calquer toutes ses actions pour les Mali. D'abord, il s'est fait élire secrétaire général du Haut Conseil islamique pendant 11 ans, avant de devenir avant de devenir le secrétaire de cette même institution, 10 ans. Il a fait trembler à plusieurs reprises les politiciens véreux. Ce sont là quelques mérites de l'homme qui se positionne comme bréviaire pour la nouvelle génération. un rassembleur à tout égard, un homme de cœur, un homme qui partage tout avec tout le monde sans haine ni démagogie. C'est pourquoi il s'est hissé à chaque fois, s'est propulsé chaque fois jusqu'au plus haut sommet. Le peuple malien n'oubliera jamais tous ces hauts faits. Un vrai philanthrope au service du peuple. À travers ces actions de haute portée, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que l'homme qui vient d'être élu personnalité de l'année 2020 du Mali l'a bel et bien mérité. Ce rapport de tendresse qui n'est donné qu'à ceux qui ont un cœur pur et limpide. Ces rapport de tendresse qui ne se reflète qu'à la hauteur d'un comportement de conscience, de confiance, de croyance et de l'honnêteté requise dans l'essence même de l'homme. L'imam Amoud est comme un livre. La plupart des gens ne voit que sa couverture. Au mieux, il lisent son résumé ou bien il se fie à les critiquer qu'en font les autres. Mais ce qui est certain, c'est que peu d'entre eux connaissent vraiment l'histoire de l'imam Mamoudiko. À la recherche de l'homme de l'année, le Forum libre a organisé un sondage pour le choix. Sur 27 005 personnes interrogées, toutes les couches socio-professionnelles confondues, les membres du a recueilli 26 771 voix, soit un total de 98. Les membres Mahmoud Diko est alors retenu comme l'homme de l'année, la personnalité la plus vue au Mali, en Afrique et même dans le monde. Fort d'une solide expérience, il est vu par les observateurs nationaux et internationaux comme un homme providentiel et potentiel à gérer un jour le leadership dans la gestion des affaires publiques au Mali et ailleurs. Un homme intègre et patriote doit réaliser toujours quelque chose dans son pays, a-t-il dit. Mahmoud Diko a cru et il l'a fait. Mahmoud Diko est un symbole national. Une icône représentant le triomphe de l'esprit humain. Il est devenu comme un symbole de patriotisme, de, l'intégrité et du courage. C'est un grand homme, une légende vivante parmi d'innombrables autres noms. Il a marqué une vie normale, passée avec sa famille et ses amis, et de poursuivre une carrière de son choix, c'est-à-dire l'imam à se battre pour la cause qu'il représente inébranlablement. Il était le pionnier de la lutte pour l'instauration de nos valeurs, comme il aimait dire, Tal ». Il incarne également l'amabilité et l'altruisme envers tous. Albert Einstein disait, pour changer le monde, il faut changer la société. Pour changer la société, il faut changer les hommes. Mais pour changer les hommes, il faut leur donner envie de... Il faut compléter Changer, voilà. <laughs> Quand est-ce que les Maliens auront-ils envie de changer Et donc notre leader pour que les Maliens changent le destin s'accomplira quel que soit le moment. Merci grand imam, merci grand guide pour cette leçon de fidélité, de loyauté, d'intégrité, d'engagement, de patriotisme, la bonne gouvernance, de courage, de paix et surtout de la démocratie directe. Avec vous, le monde a appris à la vraie définition de la démocratie, à savoir pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous êtes désormais nommé le grand leader du monde. Avec vous, aucun peuple ne laissera ses droits gangrénés par des dirigeants qui ne peuvent même pas décoder les messages de leur peuple. Des dirigeants qui ne pensent qu'à leur seule personne. Désormais, la vie sur Terre a pris forme et que nous avons compris que la division a pour résultat ce que nous vivons tous aujourd'hui à travers le monde. Merci grand imam, pour cette leçon patriotique. Alhamdulillah. Dieu merci. <laughs> Vive le Mali. Vive la paix dans, une démocratie directe. Seule voie de sortie pour les Africains. Beaucoup d'ovations. Pour l'imam Mamoudiko, hommage très mérité. Merci également au président du Forum Libre. À présent, nous invitons ici le général Balodi pour son engagement. Il fait partie de ces jeunes très tôt qui ont cru au leadership de l'imam Mamoudiko. Ils ont cru en lui et aujourd'hui il est là pour un témoignage. Balodi sous vos acclamations. Tiɲɛ b'i faamu an b'i ta i kɔ ŋaŋalo b'i faamu an b'an kɔ don i la mamuru diko i ye waraba ye i ma min i ye waraba ye mamuru diko i ye waraba ye. iye waraba ye u ko silamɛya ni politiki ti ta nkalon ko ma. ngalon kuma oko an ka hɔrɔnya ni politiki tɛ taa ngalon kuma ngalon kuma n'u y'an kunkolo ɲami a bi k'anw ɲɛna ka sigi ka maliba tiɲɛtɔla filɛ. abi kan na dɛ u aritisi tɛ politiki la baba o ye nkalon kuma ye n tɛ n sigi a ka ci ɲɛ ɲɛna ne tɛ sigi a ka ci ɲɛ ɲɛna i keguya keguya i tɛ keguya ala ye baba i keguya keguya i tɛ keguya kira mamadu ye yan. ikegu ya kegu ya itekegu ya itsaabu mari ya munye sanwosa nebi igere bo mina gere kura kurabo kadi auma san nebi igere kura kurabo mina gere kura kurabo kadi auma mamurudiko e waraye ba e waraye obi chogodi obi chogodi ni yanwu n'aka nye fasoko ni nde yanwu n'aka ye an b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ nin y'anw naka ye nin y'anw nin y'anw nin y'anw mali bi dingɛ min kɔnɔ mali o de y'anw faso in bɛ dingɛ min kɔnɔ mali ko o de y'anw maliya n e.

Il me dit qu'il préfère chanter que parler, c'est normal. Chacun a son don, son talent. On fait beaucoup de bruit pour Général Balodi. Alors, nous ne cesserons jamais de parler de l'homme, l'imam Mahmoud Diko. Quand des actes sont posés, on les relate. Merci beaucoup, cher papa, pour ton combat pour le Mali. Préparer pour toi quelque chose, une, distinction. Après, ils ont réfléchi, ils ont dit non. On a déjà fait du, président ATT Jacques Chirac au gant. Toi, tu n'as pas droit à ça. Mais on va te naturaliser parce qu'on a besoin de te garder. Et il s'est levé pour dire désormais tu t'appelles Assegremon Karambé. Alors, vous me voyez arrêter devant vous comme ça, je suis Assegremon Karambé, en pays d'Ogon. Alors, qu'est-ce, que, qui s'est passé après on a, on a essayé de, de goûter à tous les taux. Il y avait des taux très durs beaucoup plus dur que d'autres. J'ai posé la question pourquoi. Ils m'ont dit, bon voilà, tu as plus de 12, que 12 barrages ici, tu as plus de 12 taux, tous les taux qui sont durs, c'est les taux des villages où il n'y a pas de barrage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau là-bas. <laughs> c'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein. Il n'y a pas d'eau là-bas. Alors donc il faut que, il faut que tu fasses tu, construis aussi des barrages dans ces villages pour que tu aies droit au tout. Voilà donc, vous comprenez un peu comment l'hospitalité, ça se passe chez mes cousins du Je vous remercie. Mais euh, prenez quand même vos tableaux. Alors, vous voyez, il est doublement mon captif. Non seulement il est Soraï qui est dérivé, mais aussi, il est Karambe et moi, je suis Sagara. Voilà, donc euh, il n'a pas de mots à dire aujourd'hui. Alors, comme je le disais, nous arrivons maintenant à la remise de trophée au très respecté, pour citer Issa Kaudjim, et l'éclairé, les Mahmoud Diko. Ce trophée sera remis par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Salia Touré. Alors, en plus du trophée, l'imam recevra trois tableaux pour son combat au service de la démocratie, son patriotisme et sa culture de la paix. L'imam Mahmoud Diko, sous vos acclamations. خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا Le docteur Shogel Kokalamaiga et Issa Kaojim sont invités ici. هونا يغضي عينا يزدان بوجه وضاء الله الله الله الله الله الله الله الله فانظر لترى فيه كونا من أوصاف فيه ملاح وخير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن أوصاف فيهن كمال دين وحياء وعفاء الله الله الله الله الله الله الله وجمال يغشاه جلال قد تمت فيه الأوصاف الله الله الله الله الله الله tableau attestation de la paix toujours monsieur le ministre ton recevra quatre tableaux que M. Maïga viendra expliquer les significations. m'a chargé que de donner la signification des tableaux et autres sables qu'on a donné à l'éclairé imam. Ça ne marche pas Bon, garde donc. Donc d'abord, il y a un tableau qui contient un baobab. Nous connaissons tous que le baobab signifie ici une réconciliation nationale. C'est l'arbre à parable. Quelles que soient nos mésententes et autres, on se retrouverait toujours sous l'arbre à C'est la cohésion sociale, c'est le en sable. C'est le soubassement de notre société. Ne doutons pas que les grands hommes, quand une grande personne meurt, ils se retrouvent toujours, c'est un, un, géant de la famille qui tombe. En Afrique, le baba, ben, c'est un symbole qui s'est vu attribuer de multiples qualificatifs. Arbre magique, arbre pharmacien, arbre de vie, arbre à palabre, arbre à l'envers ou encore l'arbre sans dessus-dessous. En Afrique du Sud, il a été institué depuis 2002 sous la présidence de Thabo Mbeki lors du Baobab pour récompenser les individus pour les services rendus au pays. Le Baobab a été choisi car il est symbole de l'endurance, de la vitalité ou pour son utilisation comme arbre à palabre sur les places villageoises. Nous l'avons donné ici un tableau qui est la porte d'entrée de Tombouctou, que les Tombouctiens appellent al Gambou. Donc cette porte signifie la sécurité, la protection et la paix, car elle indique qui est à la porte. Donc chaque fois que tu es à la porte, il y a quelque chose que tu dois toucher pour savoir quelle est ta qualité. Donc la grande partie en fait représente la mère de famille. En dessous, le cercle le plus petit symbolise les enfants. Et le cercle entre les deux représente le père qui est le chef dans une famille et qui veille sur les, les enfants et la femme. Il a reçu aussi un sable qui signifie la paix la bravoure, le courage, la vérité, la sagesse, voire l'authenticité. Il a réussi un tableau qui, où est représenté un Dogon, un peuple, voire toute communauté en désaccord. Ce tableau appelle les deux peuples à la résistance contre l'ennemi et contre le communautarisme. Les deux peuples sont condamnés à vivre ensemble, à l'entente entre elles, la réconciliation des cœurs et des esprits. Ce tableau représente toute communauté qui ne s'entendent pas et qui doivent être appelés à se retrouver pour la paix, pour la réconciliation. Alors nous l'avons prévu un autre tableau, mais qui en coup de route au transport s'est cassé, qui, est, qui porte la charte du Mandé, donc nous avons fait un tableau qui a les 44 articles demandés pour rappeler à tous, et particulièrement à l'imam éclairé, que les 44 articles demandés doivent être plus ou moins les éléments spirituels qui doivent soutenir ces actions de tous les jours. Et les actions de tout le monde tous les jours, il faut qu'on fasse un backing permanent sur nos, ce qu'a fait nos défenseurs pour que désormais nous puissions nous retrouver rapidement et très vite soulève à parable, le baobab, et parler et se réconcilier. Elle représente notre authenticité, notre avance sur le monde. Cette constitution représente le peuple du Mandé. Le Mandé, parlons-en. Le Mandé, c'est du Cap aux îles Comores. Le Mandé, c'est des populations qui sont du même père. Il y a un des articles qui parle du cousinage à plaisanter. Nous sommes tous ici cousins. Vous avez vu la preuve ici. Un élément fort qui nous permettra d'être permanemment ensemble et qui nous interpelle toujours pour être ensemble la main dans la main. Alors, c'est aussi pour nous rappeler que les Mandeka sont du même sang. Donc pourquoi cette mésentente Alors nous avons souhaité au niveau du Forum Libre que les plus hautes autorités désormais ajoute aux autres éléments qu'on a au président de la République la carte du mandat quand on l'instaure, quand on l'investit, pour que se rappelle permanemment d'où est-ce que nous venons. Je vous remercie. Merci. Rapidement, l'imam Mahmoud Duko a reçu des tableaux, des attestations. Il va à présent recevoir les trophées proprement dit des mains du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Général. Merci, merci. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Alors, il y a le général, il se fait appeler général, je ne sais pas de quel corps d'armée. Bouboula,

min ye seremoni in fɛn ye min y'a perezan ye min bɔra kuma la aw ka fɔrɔm n b'a dɔn kojugu komi e iman bɛ yan n tɛ n'o fɔ yan n b'a dɔn komi dɔn n'a tɛgɛrɛ n y'a ye n k'e tɛ kɔrɔ anw kɔrɔ la walahi aw tɛ foyi dɔn cɛ in na ne de b'a dɔn n'i ma bi ko aw tɛ foyi dɔn a la. i bɛ kalite fɛn fɛn ɲini hadamaden na b'a la don dɔ la n k'a ma n ko n ka cɛ u bɛ rezo a ko ee a ye ma ne yɛrɛ yafar'u ma fatumata guru ala ma hinala la an b'a fɔ k'a ni ce madani madani an b'a fɔ ala ma hinala la k'a ni ce an ma nimisa i ka jɛɲɔgɔnya la ne y'a fɔ sɔrɔlasiw ye depi i bɛ ka bi n ko n'aw magara diko la u bɛ sɔrɔlasiw n'aw tɛgɛ sera ma n bɛ taa n yɛrɛ di ni n m'a kɛ ala kan ta ci aw m'a yann'a ka na n ye n sigi sɛzi kɔnɔ n ko ni bɔn b'a la ka ne faga yann'ale ka na fɛn fɛn kɛra yan a bɛɛ ka dɔgɔ a la fɛn fɛn kɛra a la a bɛɛ ka dɔgɔ a la mɛ kow bɛ kɔfɛ ka n terikɛ fo a jɔlen filɛ n bɛ nin dɔn n y'a fɔ aw ye n tɛ kuma a kan n bɛ nin dɔn kojugu n'a y'a kɛ a tɛ bali n na parce que maa caman bɛ popa popa nin kuma caman na olu tɛ fɛn kalama u ma hɛrɛ ye u tɛ hɛrɛ yɛrɛ dɔn n ko yanni i man ka kuma ko n ka fila fila fɔ imam ka fo fɛn fɛn ye bonya ka ye an t'aw fo de an b'aw yɛrɛ de fo parce que maa dɔ don naani bɛ yen n b'a fɔ n ka imam ye maa to ala de b'o kɛ ala b'a ka masaya yir'i la hadamaden i bɛ wolo k'i fa ye de i t'i fa suwazi i bɛ wolo k'i ba ye i t'i ba suwazi i woloyɔrɔ i t'a dɔn i sayɔrɔ i t'a dɔn. a ko k'a bɛ don misiri kɔnɔ n ko n bɛ misiri da la n y'a datugu i da la n'a bora n b'a da i la an bɛ bɔ tugun faso ko de don an ye ko bɛɛ kɛ jamana in na an tɛ fɛn nɔfɛ ne n'ale ni n b'a nɔfɛ ala kana d'an ma mɛ hali sini n'a fɔra girigiri an bɛ bɔ aw y'a ye ko perezan duuru bɔra dunan jamana jumɛn na ko ka na maa kelen deli ale de gaulle bɛ Appel le 18 juin 1940, BBC la Londres, avec Francis Ibéry. Dit Coco, je préfère mourir en martyr de vivre en traitement banal. an bɛ ɛmisɛn n'a ka jama vous bɛɛ ka k'i yɛrɛ bɛɛ ka kun n'i yɛrɛ an ni diko n'aw y'a mɛn don o don k'an ye jamana in tɛra ye ne kɔni b'a ɲini ala fɛ n kana bɔ yen n'a ma ni tɛ an tɛ janya an bɛna kuma di belebele ma a ka di bɛɛ ye i ka kɛ tan mɛ bɛɛ tɛ se ka k'a ye paseke bɛɛ m'a baara kɛ a ka di bɛɛ ka nin kɛ a ka di bɛɛ ka nin k'i bɛɛ tɛ se ka k'a ye bɛɛ tɛ se k'a baara kɛ bɛɛ yɛrɛ somɔgɔ fana m'a baara kɛ awa bɛɛ tɛ k'a ye fana maaw bila kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la fali kɛnɛkala bu t'a la tɔ ɲɛ tɛ komi o ye tiɲɛ de an bɛ di ko kɔ bi an b'a kɔ sini ka fɔlɔ mɔgɔw cɛw n'a muso fo k'an terikɛ yɛrɛ fo i wosilen bɛ cɛ ye wosilen nɛnɛ ne fa maubla maaw bila hakɛto la patrie la mort n'aw bɛ dekoli ɲini a bɛ ne ko maa o da kuma la sa ko kaburu k'u bɛ jura ko waliju ko ɛ n ko yann'aw ka waliju waliju ɲɛnama b'aw kɛrɛfɛ. nin kuma in bɛ fɔ a man d'a ye hali n filɛ a ye parce que n hali kunu ɲɛ bitiri sala kɛrɛfɛ kow ye nin de tuta la n b'aw bila hakɛto bɛ nin ka sala bi ko ala k'i balo ala k'i mɛn ka kɛ voilà. merci ovation pour le général le général bouboula mesdames et messieurs distingués invités merci pour votre patience et je vous prie encore de patienter un tout petit peu nous allons bientôt terminer. Ils sont nombreux, ceux qui veulent témoigner, ils veulent parler. Vous me voyez bousculer, je cours par-ci, par-là. Ce n'est pas facile. Nous allons quand même accepter de prendre quelques-unes pour qu'ils puissent euh, dire ce qu'ils ont sur le cœur. Même je les demande d'être brefs, très brefs, pour qu'on gagne en temps. Alors, euh, nous avons Madame Wadidje Foune Kloubali.

an b'an baw fo minnu bɛ sali kɔnɔ an kɔrɔ minnu bɛ yan an'an dɔgɔ minnu bɛ yan n b'a bɛɛ lajɛlen fo ne y'a ɲini ala fɛ n ko ni ala ye kɛnɛ nɔgɔya ne ye kɛnɛ min ɲɛ caman bɛ jɔ ne na pour que ka waleɲuman dɔn kɛ an fa in ye n'o ye imam mamu diko ye dɔw bɛ m5 fɔ u y'a dɔn m5 kɛlɛ de kɔnɔ dɔw bɛ 26 marisi fɔ u y'a dɔn o kɛlɛ kɔnɔ anw n'a ye jɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye denmisɛnw ye so anw fa don ne yɛrɛ balabuguka ye n ka imamu don mɛ luti kɔnɔ ne kamaraden luti de don ka ban ti ɲɔgɔn dɔn n b'a hakili lajigi 2012 su dɔ kɛra mali tun bɛ dingɛ kɔnɔ masi kun tɛ ɲɔgɔn kan mɛn bilen sɔrasiw kun tɛ ɲɔgɔn lamɛn bilen su dɔ gwɛlɛyala n t'a dɔn ma min sera ne ma dɛ nka ci min donna ne da n tɛna se ka don a gundo bɛɛ la mɛ n bɛ imam hakili jigin a hakili bi sɔn ka jigin gundo in na mɛ ale ni ne cɛ an b'a garide o kɛra jumɛn ye n cira a ma n ye badilabugu bɔlɔn kɔnɔnaw minɛ a don kurufe de tun bɛ yen cɛma tugun kɔ ma si ma kariya ka tugune kɔ ka taa balilabugu n fɔra imam kɔ a fɔra n ye k'a bɛ bago jikɔrɔni komi a bɛ segin ka na komi a bɛ mɛn n ko hali n'a bɛ si ne b'a makɔnɔ yan dugu tilama fɛ katikati dɔ jɔra da la cɛkɔrɔba bɔra a kɔnɔ o b'a sɔrɔ o ye sɛsi di ne ma misiri kɔgɔ min bɛ bɛn a ka so ma ne sigin bɛ yen nɔ soso ye n kin kosɛbɛ n y'a makɔnɔ a nana u y'a fɔ a ye ko nin muso in bɛ k'i makɔnɔ a ye negejuru dɔ kunkɛn do ka sɔgɔna traverse a ye negejuru kɔrɔta n gɛrɛla la n y'a fo a ka kumakan kɛra mun ye a ko ne ba i ni cɛɛ de bi ɲɔgɔn na wa n ko ayi ne ciri ma de sɛzi filanan taga ka na aw b'a kɛ to a ti janya imam sigilan kɛrɛfɛ an ye ɲɔgɔn fo n ye kuma in ɲɛfɔ a ye n b'a gundo to ne ni ale ni ala cɛ a don su kun ka gɛlɛ mali ma n tilala kuma fɔli la a ye maa fɔlɔ min wele o kɛra monseigneur ye filanan a ye pasteur wele sabana n t'a dɔn ye maa min kɔni ye kan min fɔr'o la n tun t'o kan mɛn imam ye vi dɔw sauve a don su ne b'a gundo to ne n'a ɲɔgɔn cɛ ani ala o de tun y'a sabanan ye mali ye don ye a ɲɛ na dɛ ne t'a dɔn a don su ni dugusajɛ cɛ a ye mirakili min kɛ ne t'a dɔn nka su min kun kan ka bɔ dɔ bɔra a la hali ni dɔ bɔra mɛ dɔ kɔni bɔra a la n b'a fɔ o la ne bɛ da nin yɔrɔ la o tun ye ne ka témoignage ye o de y'a to n b'a fɔ maaw ye kuma bɛɛ M5 M5 kɛlɛ caman tɛmɛna kɛlɛ caman tɛmɛna an jɛra an ye jɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ a gɛlɛyara don dɔw la an si tun tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye nka n'an y'an kɔfilɛ ko an ye ko min bin an yiri min bin duguma n'an ye an kɔfilɛ a la bɛɛ kan ka ɲina a ka kuru kɔ an ka kuru ci tɛ an ka kuru ci tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi kɛlɛ wɛrɛ bɛ mali ɲɛ dɛ ne bɛ dan o yɔrɔ ma an ma tila fɔlɔ merci beaucoup. merci merci madame wajijee. pour ce témoignage émouvant. Merci pour le courage. Merci à l'imam. Merci à tous ses collaborateurs. Alors, euh, rapidement, nous invitons ici Dunga Maïga pour deux mots. Maléon. Maléon, au CICB salle

ala ye ne garisɛgɛ kɛ ne tɔgɔ de sɛbɛnna attestation in kan baara mun kɛra communication mun kɛra ne kelen ka baara tɛ aw ɲɛ bɛ cɛ minnu jɔlen na minnu bɛ k'a filime n kɛ o kɛ ka publication kɛ minnu b'a partage bɛɛ de nɔ b'a la cɛ ni muso bɛɛ de ta ye titiri ye le chèque le très respecté et éclairé Imam Mahmoud Diko. Cheikh Imam, Imam Mahmoud Mahamadan Umar Hamma Fulan Diko. Diko D. Fatmata Hamad Yoro. Fatmata Hamad Yoro Paris. Diti. Gogo. o y'a bamuso tɔgɔ ye an mamuso don ale de tun bɛ to k'a fɔ an ɲɛna aw kana yɔrɔ ci aw kana tasuma don aw ka jamana la aw kana yɔrɔ kari a y'o kuma in fɔ an tulo kɔrɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a sɔrɔ a tun bɛ anw zeniw kunna a tun bɛ maa caman kunna k'a fɔ i bɛ k'a ka fanga jugu in walahi ni force tɛ n'an ma yɔrɔ ci n'an ma yɔrɔ jeni c'était une conviction partagée par la plupart du, des composants du M5 RFP imam diko de kama je a tɛ kɛ le 10 juillet imam ma appelé à mobilisation à a ma bonne presse kɛ a ma taa rassemblement à la a à kama madame sika duso Anissa isa u kɛlen u tilalen kuma na ka mot d'ordre di choguel de ko ne ma ko ne ka taa ortm na ko imam tiyan k'an ka ko bɛɛ kɛ pour que imam kana tigɛ an na maliyɛnw kana tigɛ an na afiriki kana tigɛ an na yɔrɔ kana jeni choguel de y'a fɔ ko ne ka taa ortm na n bi ka taa avec des camarades tɔw kun ka teli ne u hakilila ko n sirannen do kun do mais je me posais des questions Né ce pour empêcher les gens à casser et à brûler l'ORTM ala la n taara ni camarade a caman bɛ En n kɔnɔ manifestant fait, an kumana manifestanw radio nationale, euh, Chende, chaîne télévision nationale dɔw l'essentiel du travail est fait rentrons dans l'histoire an ka kuma arajo la ka maliyɛnw bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ i bɛ k'a ka fanga bɛɛ bi ne kuma ye sabali n'an ye maaw wele n'u bɛ bɔ so u bɛ baga bitigitigi dɔw de ma u bɛ baga alimentation na imam tɛna sɔn o ma a ko ko ayi k'an kana kasi kɛ ala barika la sheikh imam mahamudu diko i kun tɛ yen pepulu y'i lamɛn ortem yɛrɛ collaboré la u ye micro d'a ma an caman ani kelen tɛ kasi mun kɛra m5 rfp tɛ

Imam Mahmoud Duko, Cheikh Imam Mahmoud Duko, o réconciliation a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ e bɛ se ka na n'o ye jamana in kɔnɔ walahi o siga tɛ ne la o siga tɛ ne la Imam n bɛ bɔ kuma na ni mun ye don min na ne y'a décidé ka tugu i kɔ ka taa i nɔfɛ ne ni maa ma kun ka surun politikima ne sera bɛɛ ka so kelen kelen n kuma ayiwa ne n'aw kun bɛ ko dɔ la ne n'aw ta banna bi ne bɛ tugu Imam mahamudu Duko kɔ.

minnu bɛ i buruja i ka yafa olu fana ma i ka yafa ma i ka yelen jigi minnu banna k'a faamu ala ka yelen jigi dusukun na u ka se k'a faamu ima mahamudu ko merci merci beaucoup n kɔrɔ n kɔrɔ bugula ko k'a bɛ sa i nɔfɛ ale kelen tɛ maliyɛnw bɛ sa i nɔfɛ merci beaucoup merci merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous vous rendez compte qu'il est difficile d'être le maître de cérémonie d'une cérémonie comme ça, de l'imam Diko. Parce que tout le monde veut parler, tout le monde a quelque chose à dire. Et souvent, on est obligé de plier ses principes. Je vous prie encore de patienter. Et ceux qui sont en train de demander la parole, je vous prie d'être très très bref. Il y a Amadou Baba Kamisogo, chef des grilles de Bamako, c'est notre papa, il est venu me voir et me dit c'était à nous d'ouvrir cette cérémonie. Donne-moi, j'ai que deux mots. Alors, papa. Aouzoubillahi minash shaytan razim bismillahirrahmanirrahim allahu akbar li ala sayyiduna muhammadi wa ala ali sayyiduna muhammadi wassalim tasliman wa raykuma la anw bɛ nin kɛnɛ in kan an ka ye ka ka kɛnɛ kan munna ye ko de ye fɔko ye anw sera imamu ma don min na jeliw an y'a yira la imamu ka da i jogo kan an b'a fɛ an ni ka jɛ parce que anw ye kotilalaw de ye n'an b'a ɲɛ an t'a tiɲɛ a ko an bɔra an ka so an nana an ka so maa maa bɛ mali tariki dɔn i tɛ se ka taa ni jeliw tɛ o tuma jeliw wulila. kube na kana na dake ni imamu ka imamu mursalin eh, imamu mindo aye koto abe hina abe makari o sa n kakuma jenya ka kuma y'a kena k'a ka barikada imamu victoire au peuple bonheur au peuple vouloir au peuple nankamaden ani tɔgɔ jabi

Imam Dieu nous a montré ce jour. Parlez, la jeunesse vous écoute. Eh, oh, Merci. العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته l'indulgence de la salle pour me permettre de parler en langue nationale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam ka minisiri minnu bɛ yan paarɛ minnu bɛ kɛnɛ in ka yan an balimakɛ atam agal hasan minisiri ani n balimakɛ nin dɔgɔkɛ ali abubakar jalo u ye bonya min kɛ ka na u sen jo yɔrɔ in kan ka yɔrɔ in k'a bɔɲɛ k'a senkɔrɔta k'u fo a la ma o ma sera yan an ka maabaw la k'a bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye dɔktɛr sugala kɔkala mayiga ani an ka maaba minnu bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye président jamil bitar ani maa o nana ani maa o maa farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛnɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo forum libre o ka maa minnu farala ɲɔgɔn ka se n ma ka nin kibaruya in dan n y'a lamɛn son âme, je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité. quand j'ai eu le tableau je le reçu tableau du Corolla, Nyaye il s'appelait je crois bien si ma mémoire ne me trompe pas Pierre Poudougou ne ye tabulo in kalan n ko nin sɛrɛmɔni ne ka kan ka na nin na parce que ne bɛ ka boli fɛn min kɔ o de ye nin ye jamana in ka dans toute sa diversité donc nin baara in a diyara n ma mais ce n'est pas ma modeste personne qui a été nominée moi je aime à le dire je ne suis qu'un élément

dans toute sa composante, je dis bien dans toute sa composante, au Cabonnier de l'eau. J'aimerais le dire ici, le témoigner pour l'histoire. M5 RFP c'est empreint du respect et de l'estime réciproque Kabna an jara don bombo da kelen a ma bɔ mɔgɔ la la au contraire y et je dois le dire ici pour l'histoire o ye n bonya ko ni bɛn a kan olu de bɛ reunion kɛ n'u bɛnna kan u bɛ wuli ka délégation kɛ ka taa sɔrɔ nga so ka taa compte rendu kɛ n c'est une marque de considération et du respect et de l'estime n ka kan k'o dɔn nga kan k'o fɔ min kɛra o y'o de Tout le reste au Corée. n b'a fɛ o ka faamu o ka dɔn donc kuma caman fɔra ko caman kɛra jiko i tɛ kuma wa i tɛ fɛn fɔ wa non ne bɛ mun fɔ n bɛ mun kɛ ne bɛ min ɲini ala fɛ o de ye jamana in den bɛɛ lajɛlen u ka kan kelen fɔ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn minɛ u ka kɛ kelen ye waati min o hami bɛ n na ni maa minnu ka surun ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn ka ɲa kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ne ka kan ka ko in lajɛ ni hakili ni sabali ni muɲu ni kɔdɔn de ye ne man kan ka bɔ ka kuma yan fɛ ka nin fɔ yan fɛ o tɛ hakilima ka baara ye ne y'a fɔ n bɛ segin a kan ni fɛn o fɛn n'a fɔra min bɛ n tɔɔrɔ o ye min kɛra parce que ne ka kan ka maa minnu fara ɲɔgɔn kan n'u jɛnsɛra ne sigilen ɲɛna a bɛ n tɔɔrɔ parce que ni mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ jalaki o la ne de ka kan k'an yɛrɛ jalaki o la c'est peut-être moi qui ai échoué ce n'est pas eux n'o tɛ ni min fɔra diko de ma n y'o fɔ n bɛ segin a kan ni fɛn o fɛn n'a fɔra diko de ma o ye fɛn yafalen ye kɔrɔlen n'a fɔra ne ko nin de ma ko n yafara min fɔra ɛ e, tuma dɔ ala bɛ ɲɛ ma i ɲɛw n'i kanubaw tɛ sɔn ka fɛn min f'i ye. ala bɛ mɔgɔ bila min b'a f'i ye pour que i ka hakili sɔrɔ maa min b'a faamu cogo wɛrɛ la a bɛ dimi a bɛ funu nka ni ala ye faamu sugu dɔw d'i ma min fɔra i b'a positiver i bɛ ko in lajɛ i ye hadamaden de ye tu es perfectible je n'ai pas la prétention de penser que j'ai atteint la perfection je suis perfectible critiquable. fengavo obeye fɔ obeye heredi ye kunnadiya préfère vraiment un anado do c'est le détail et le diable dans le détail l'essentiel symbolique de ce trophée aujourd'hui Akakanga ka kan ka fɛn dira a ka kan de ye jamana Bamina, il y a eu trop de larmes trop de sang versé ni hami au baara in a restaurer la nation malienne et lui rendre sa grandeur d'antan mali bonya min karama min bɛ mali la min c'est pas des slogans creux c'est une réalité historique mali ye jamanaba ye o kuma in jamanaba don a ka superficie la mais jamanaba don par les hommes qui l'ont bâti cɛya minnu ye jamana in dila o ye jamana in tɔgɔ y'an ka cɛbaw de don kodɔnnaw de don cɛfarinw don u ye diɲɛ u y'a yira diɲɛ na k'a fɔ jamana in ye jamanaba ye ce n'est pas notre œuvre anw anglais ngelen kelen bɛɛ lajɛlen b'an disi gosi k'a jamana in ye jamanaba ye anw mali ye mali bay maa y'a bunye o mo u janyate u bunye te u farikolo la nga bunye min b'o la o y'u dusukunw ye u ŋaniyaw ye u hakililaw hakililaw ye u y'o de ka jamana ni bunye ne bɛ trophée in je l'ai dit ce trophée est dédié au peuple malien au M5 RFP et aux martyrs aux martyrs qui sont tombés le 10, le 11, le 12 ceux qui sont tombés devant ma porte, ceux qui sont tombés dans ma mosquée. Allah. Je prie Allah le Tout-Puissant que leur sang qui a été versé ne soit pas vain. Que la cause pour laquelle ils ont versé ce sang, qu'Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, Entend ce cru de cœur pour le Mali. Que Dieu réconcilie nos cœurs. Qu'Allah chasse le démon de la division et de la haine de nos cœurs. Pour remplir nos cœurs d'amour et d'acceptation de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de l'autre entre nous, nous sommes tous les mêmes. L'autre, c'est celui qui vient d'ailleurs. Et personne ne vient d'ailleurs ici au Mali sommes tous les mêmes. Notre cérémonie symbolise bien cela. C'est pour cela que j'ai aimé cette cérémonie. Oui, quand ça m'a été remis, que je vis celui qui m'a donné ça, il s'appelait Pierre Poudougou, j'ai été heureux. Si c'était Mohamed, si c'était Ahmed, si c'était Omar, j'allais penser que bon, c'est pour d'autres raisons. Mais quand j'ai vu le nom, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé, oui, j'ai aimé cette tolérance malienne, ce dépassement de soi. J'ai aimé cette euh, culture de valoriser les hommes par ce qu'ils font. Au-delà de toutes les considérations, il y a beaucoup de messages dans ce trophée. C'est ce qui m'a fait accepter et venir partager ce moment avec vous et avec tout le monde ko caman bɛ nin ko in kɔnɔ ko min bɛ porofite ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin jɛnɛsi ma ka ɲɛsin jamana in ma ka ma maa de l'indépendance à nos jours olu de bɛ ka sacrifice bɛɛ lajɛlen toutes les révolutions les changements tout ce qui a eu lieu dans ce pays ceux qui ont payé le prix de la lustre c'est bien cette jeunesse. Encore une fois, c'est cette jeunesse qui est là. Tous les enjeux dans notre pays, dans le pays du Sahel, sont autour de la jeunesse. J'en appelle aux dirigeants, aux responsables, aux décideurs. Ukuhaklito. haklito.

aux jeunes mounous qui font l'objet de beaucoup de convoitises aujourd'hui. ceux qui sont exposés. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers, voire millions qui sont en marge de tout processus de développement. Il s'agit des élèves coraniques, des enfants dans les milieux ruraux qui sont délaissés pour compte, qui sont aujourd'hui devenus des proies faciles pour les narcos, pour les vendeurs d'illusions, pour d'autres, ceux qui traversent le Sahara pour se jeter sur la Méditerranée. Soit ils sont au fond de Méditerranée, soit ils sont ailleurs. Ils méritent aujourd'hui ce prix, ce regroupement de forums libres et autres doivent aujourd'hui se mettre ensemble pour réfléchir le devenir de notre région, de notre sous-région, de notre continent et le devenir de notre jeunesse. Si on ne trouve pas de réponse pour la jeunesse, il n'y a pas d'avenir pour notre région, notre sous-région, notre continent. J'en appelle à tous les dirigeants du continent africain. C'est peut-être trop osé pour que moi, je fais appel à ces dirigeants. Il à a des voix certainement plus appropriées à en parler que ma voix. Mais je vais ajouter ma voix à celle des autres pour partager cette préoccupation. Je suis très heureux, très ému, vraiment, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Au-delà du symbolique, des trophées, il y a un grand message, message de la réconciliation, message du vivre ensemble, du vivre ensemble. Notre pays a, donné toujours la leçon aux autres, a enseigné aux autres. C'est chez nous ici qu'on dit kun Ambekoum. Ambekoum. Quand tu dis à quelqu'un Bismillah, Ambekoum, ça veut dire que tu es prêt à tout partager avec lui. C'est ça la culture du mérite. C'est ça que le Mali connaît. Et c'est ce que nous sommes. Ce qui est en train de se passer, ça fait mal. Ce que j'entends ces deux jours dans le centre du Mali, à Nyonou, à Farabougou, ailleurs et au-delà, ce grand Mali ne mérite pas ça. Cette jeunesse aujourd'hui doit se serrer les doit se mettre debout pour chasser, comme je le dis, ce démon de la haine et de la division qui s'est emparé de notre société, notre pays, notre nation. C'est cela l'important pour moi. C'est pour cela que j'ai demandé cette tribune. Vous ne pouvez pas faire la restauration de cette nation

mɛ lafiya min n'anw yɛrɛ de bɛ k'a tiɲɛ o lafiya in bɛ sɔrɔ wa il faut k'anw bɛɛ lajɛlen bɛn bɛn parce que jamana in kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ yen k'a fɔ ko e yɛrɛ damadu siya kelen tɛ yen ko e kelen don i ni foyi ɲagaminen tɛ ɲɔgɔn na o siya tɛ jamana in kɔnɔ i ye kabila o kabila ci i bɛ taa siya bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ kabila o kabila n'i y'a ta an ka jamana in kɔnɔ i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ. tout le monde est tout à la fois Il est Fly, il est ye il est beau, il est il il est bamanan il est il il est moi je remercie le bon dieu d'avoir fait de moi ce citoyen qui appartient à tout le monde j'en suis fier ni ni vous <laughs>

que des gens viennent ici pour dire qu'ils vont nous réconcilier, ils vont restaurer la paix. Non. parce que on vous kata fort ou ben. En ma ni ni famoye, C'est nous, c'est nous ici. Le berceau de la civilisation africaine, c'est au Mali. Oui, les foyers du savoir qui ont éliminé le reste de l'Afrique, c'est au Mali. c'est à Tombouctou, c'est à Djenné, c'est à Nyoro, c'est ailleurs. A je nin jamana in anw ka to ti bi taaba parce que maa wɛrɛw t'a fɛ anw ka ɲɔgɔn kan fɔ dɔw bɛ yen anw ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka lafiya sabati an ka jamana in kɔnɔ laɲini minnu b'u bolo o tɛna sɔrɔ ka kɛ anw ka jamana ka kɛko ma dɛ anw ka maaw bɛ se ka fɛɛrɛ i ma don kelen nka a don bɛɛ o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ maaw bɛ se ka fɛɛrɛ i e. ma don dɔ la nka don bɛɛ fɛɛrɛ bɛ k'i ma o y'i yɛrɛ nɔ ye vraiment ne hakilila bi j'en appelle bɛ bɛɛ wele k'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi hadamadenya tɛ ɲɛ fɛn min kɔ o ye sabali ɲɔgɔn kɔ ani muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ani ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko dɔw latɛmɛ le di je le redis n b'a fɔ mɔgɔw k'a faamu parce que a kuma cayara a cayara a cayara n y'a dabɔ a kama j'ai demandé à mon frère mon cadet docteur k'o kala Mega n ko a ka na a ka na a ka n'i jɔ kabini nin ko in kɛra pas plus tard que hier Donnez quand il vient il ne m'a jamais appelé par mon nom il me dit Béro c'est affectif voilà c'est le coran national là c'est comme ça qu'il m'appelle il me le dit en songwe pour vous dire que les gens peuvent penser beaucoup de choses mais c'est loin de la réalité mais nous sommes des hommes nous réfléchissons, nous avons souvent des positions, certainement ça peut être divergente, mais ça n'entame en rien l'estime et le respect qui entoure nous. Et que je partage avec tous les éléments du M5 RFP, je tiens à le dire. Je le partage avec tout le monde.

humblement, je dis, je demande pardon à tout le monde. À tout le monde, je Mais il y a Fanny Il a je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai atteint la perfection. Je suis perfectible et critiquable. Voilà. voilà. Mais c'est pour cela que je dis que je vais profiter de cette tribune pour dire beaucoup de choses. Et encore une fois, remercier le Front Libre pour leur choix porté sur ma modeste personne, pour vraiment aussi me donner l'occasion de m'exprimer. Et encore une fois, j'en appelle à la chasse de tous tout le monde, pour que malgré tout, il y a beaucoup de choses à faire. Le monde est un perpétuel aller-retour. Ça ne finit pas en une seule manche. Vous gagnez l'aller, vous perdez le retour, vous perdez l'aller, vous gagnez le retour. C'est ça le monde, c'est perpétuellement comme ça. Tout le monde ne gagne pas tout, tout le temps. Et peut-être que tu ne perds pas tout aussi tout le temps. Ça va, ça vient. Et j'aime à le dire à la jeunesse, à leur endroit et à l'endroit de tout le peuple malien. Je suis un imam. Mes références sont des références religieuses. Je m'en excuse. Ni ni Un ah, prophète, alayhi

ale ka kuma don j'aime toujours ka segin kuma in kan k'o fɔ ne yɛrɛ ye k'a fɔ maaw ye c'est un hadith authentique hadith veut dire propos venant du prophète alayhi salatu wassalam et c'est authentique que ça vient de lui ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب le grand prophète salam, dit Le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui, par la faveur de muscles, terrasse ses adversaires, mais celui qui peut dominer sa colère. maa min bɛ cɛw k'u pɛrɛn dugu ma i bɛ de sari ibe bɛ k'u pɛrɛn dugu ma e tɛ cɛfarin ye maa min bisa dusu in na an ka san dusuw la ni seri dusu la ko caman bɛ tɛmɛ tanpɛti caman bɛ yen a bɛ tɛmɛ fɛn caman bɛ yen a bɛ tɛmɛ ni seri dusu la jamana in na ko caman tiɲɛna i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ sabalila miniti duuru dama o ko in kun tɛ tiɲɛ nka sabali an mago b'a la an ka sabali min ka fisa bɛɛ ye anw ka yecogo la o ye ala ka kira ye alayhi salatu wasalam ala ko a ma k'a ka sabali a ko a ma anw b'a dɔn min bɛ f'i ma a b'i tɔɔrɔ a b'i degun nka sabali sabali nka a fɔra kira ye sabali ee a tɛ fɔ anw ma ko an ka sabali mun na an tɛ sabali mun na nin fɔra an ma a tɛ kun nin ma maa a tɛ se ka non sabali ni sabalila i bɛ ko caman dilan i bɛ ko caman ye ka yafa ɲɔgɔn ma ko minnu jɛngɛnna u bɛ a n'a bɔnna o fana tɛ kelen ye ɔ an ka kow dama de nous avons beaucoup de chemin à faire ensemble nous sommes le peuple valérien. Votre adversaire d'aujourd'hui peut, être votre allié ou partenaire de demain. Et votre allié d'aujourd'hui peut être votre adversaire de demain. C'est ça la vie. C'est pour cela que je dis la vie, c'est beaucoup d'aller-retour. Voilà. Aller tout le monde mais retour C'est ça la vie. Et ça a besoin de beaucoup de sagesse. ala a ka ayiwa an hakiliw sabati diɲɛ kan an ka jamana an bɛ min ɲini jamana in ye n'o ye lafiya ye hakilisigi ye bɛn ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɛsin ala ma hali bi ka ɲɛsin ala ma n'an dusukun ye k'an bolo fila banba k'a ɲɛsin ala ma anw ye dɛsɛbaatɔw ye se t'an ye masa in de bɛ se ala ya i y'an lajarabi k'an kɔrɔbɔ i mana min kɛ ala o bɛ kun n'i ye min kɛ a bɛ kɛ foyi tɛ tiɲɛ fana dɔwɛrɛ t'an na f'an ka ɲɛsin e ala kelen in de ma k'a ɲini ala fɛ joli caman min bɔnna an ka jamana in kɔnɔ ɲɛji caman min n'a a jiginna jamana in kɔnɔ maa caman minnu kɛra yatimaw ye minnu bɔra u sigiyɔrɔw la sigiyɔrɔ minnu n'a mɔgɔw wulila maa minnu n'u degunnen don hali an bɛ waati min kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ ala e de ɲɛ bɛ nin bɛɛ la i bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen ka a dilan ka nin bɛɛ lajɛlen bali don kelen dusukun minnu fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u kanu don ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛ tɛ se o la ni e ala tɛ an b'a ɲɛsin ala ma k'a ɲini ala fɛ ya ala k'an ka jamana in basigi ya rabbi ala k'an ka jamana in basigi ala ka bɛn don jamana in na ala ka lafiya di jamana in ma fɛn min kɛra bonya don alisilamaw n bɛna kuma kuncɛ nka aw yɛrɛ b'a dɔn laada la n tɛ se ka kuma kuncɛ pewu ni ɲɔgɔnna kɛnɛw kan ni n ma bonyamasegin kɛ ɛɛ vous devinez ɛɛ. ne tɛ se ka wele k'a fɔ ko nin y'i ka bonya ye ne k'o bonya in minɛ ka n kunbiri ka taa k'a sɔrɔ ne ma bonyamasegin kɛ asarafu surafa نما مسجي أبيك أشرف الشرفاء إيه الشيخ محمد أحمد حماه الله الشريف الشريف وابن الشريف وحفيد الشريف شريف الشرفاء أشرف الشرفاء إيه أشرف الشرفاء a ka bonya don an karamɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ nin ko in na an jɛɲɔgɔnw an karamɔgɔba minnu bɛ yen a bɛɛ duba minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala belebelew k'a ta an ka sɛkiw n'o ye lahibakaw ye o ye kuntalakaw ye o ye ne yɛrɛ ka sɛkiw ye ɔ k'a ta nga ka sɛko wɛrɛw la n'o ye dilikaw ye u ka bonya bɛ nin ko in na tɔnbɔkutu o ye n ka dugu ye alimami minnu b'a la nkɔrɔw don u ka bonya bɛ nin ko in na jɛnɛ o ye n ka dugu ye ala ka hinɛ alimami kɔrɔbarala a kala ka yafa ma a ka dugu don jɛnɛ bɛɛ ye n ka dugu ye ne tɛ se ka bonya sɔrɔ n ye karamɔgɔ ye n'olu ka bonya t'a la ka bonya in lase baratakaw ma k'a lase murujakaw ma k'a lase ayiwa ɲɔrɔ fan fila bɛɛ lajɛlen a taalakaw n'a kabalakaw u bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ nin ko in na karamɔgɔw ni n ko n bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ n bɛ ɲina k'a lase n ka duguw la ne yɛrɛ bangena dugu min na o ye tɔnka ye k'a lase olu fana ma k'a lase n ba ka dugu ma n'o ye anbirikaw ye k'u bari u ni cɛw ni baraji k'a lase n ka dugu wɛrɛ ma o ye yoroso ye olu ye ayi n ka yɔrɔ ye n ka cɛkɔrɔba dalen bɛ dugu min na n b'a f'u ye ko fabiye maa cun u ni ce u ni baraji ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sawaba ma k'a bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ minnu bɛ yen minnu tanyana ani minnu bɛ balo la sɛki sufi lasana kane kane. a bonya bɛ kɛnɛ an de ɲɔgɔn do an k'o kɛ ɲɔgɔn do k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ fo k'an karamɔgɔw bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ ya rabi nin ko in ayiwa ala k'a kɛ hɛrɛ ye foron libre ala ka barika d'u la u ye baara min kɛ a diyara n ye a bonyana n ma san wɛrɛ ta ala k'o yira na hɛrɛ la an ka na kɛnɛ wɛrɛw kan wɛrɛw fana ka bonya an ka na sigi o kɛnɛw ka ni ala sɔnna u ni ce u baraji ministre aga tam ini ce i baraji ndo alu bubakar jalo ini ni ce i baraji monsieur le ministre salia ini ni ce i baraji premier ministre ka ciden min bɛ ani ce baraji ani ce a bɛɛ a alaikum warahmatullahi wabarakatuh يغشاه جلاله قد تمت فيه الأوصاف الله الله الله الله الله الله الله الله وخير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن وخير عباد الرحمن وإمام من كني من وسرا من كني من كن كرترا من كني بس كمين فو إبا محمود ديكو آه، على نعمة دو ala ye min kɛ mali ye ala ka nɛma don ala ye min kɛ mali ye ɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale ka ko bɛ cogoya min na a ka bɔ mali yɛrɛ ma an bɛ se ka bɔ a ka bɔ afiriki yɛrɛ ma ala yɛrɛ de ye nin di nin waati in mɔgɔ ma an bɛ ala fo ka ala barika da o kɔnɔna na bon o de kosɔn imam mahamudu diko tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne b'a dɔn ni min ye n'a fɔra a bɛ kɛnɛ min kan ne t'a kun ɲɛɲini ne bɛ taga ye n'a bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n t'a kun ɲɛɲini ne bɛ taga ye n b'a dɔn ni min ye a tɛ ala janfa n b'a dɔn ni min ye a tɛ kira janfa n b'a dɔn ni min ye a t'a faso janfa inshallah ɔ o tumana ka da o kan n'i y'a mɛn a bɛ yɔrɔ min na ne kɔni ne bɛ se yen de bɛ se hali hali ni ma kun dɔn ɔ o tumana an b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw an ka se ka walanda sɔrɔ a ka kow la an ka se ka hakilina sɔrɔ a ka ko la ka lesɔn tire a ka ko la n'o tɛ ne kɔni b'a dɔn n'o de ye bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana in kɔnɔ amirul muminin bi haqqin wa jadara mumunu ka ɲɛmaya ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ka min n'a ka kan ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni musulaka t'a la o y'ale de ye ne ka amirul mumina don ne ka amirul mumina don n dalen b'a la a tɛ ala janfa a tɛ kira janfa a tɛ faso janfa kɛnɛ sigi parce que mɔgɔ min fana b'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ kan ka sigi an b'olu o tigiw de fo nin n'a ɲɔgɔnnaw la a bɛ kuraji fana di mɔgɔ wɛrɛw fana ma u k'a dɔn k'a fɔ ɔ baara ɲuman nafa ye min ye ɔ baara ɲuman nafa min b'a la ani kunkɔrɔta min b'a la o tɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sababuya ye ka adamadenw caman bila ka baara caman kɛ ɔ ni ɲɔgɔnnaw bɛ se ka bɔ min kɔnɔ bɔn o tuma o de kosɔn minnu ye kɛnɛ in sigi an b'u fɔ k'u barakada ka ɲɛ ala ta fɛ ala k'an bɛn sababa ma imam mahmud diko koni nɛɛma de do ala ye min d'an ma ala fo ka ala barkada awa awɔ k'an ɲɛ halisa ka ɲɛ tala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka an ɲɛ mɛn ala k'a dɛmɛ hali sisa ala k'a kisi k'a tanga parce que maa o n'i ko kibe bɛ mɔgɔw bila siraka kibe kan bo juguma siraka o juguman sira de b'a a kɔlɔlɔ ye min ye o ko caman bɛ kɛ ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'a mɛn kɔrɔ asalamualeykum warahmatulahi wabarakatuhu. alhamdulillah an hakilinata ye min ye ni trophée la euh, d'abord a diyara an ye kojugu je suis vraiment émerveilleux fɛn dɔ bɛ yen parce que mali la an degilen bɛ trophée di la ka caya ɲɛmɔgɔw de b'a di gouvernement de b'a di mais zeinata nin ye association ni ong kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi kɔnɔntɔn ni kelen ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ k'a ye mɔgɔ min ka cɛsiri bonyara fasojɔ la mɔgɔ min ka cɛsiri bonyara jamanadenw ka lafiya la ko cɛba yi kɛra anw ka imamu ye belebelew ka belebele imamu mamutu diko ɛɛ ne baden tɛ se ka foyi fɔ bi fo kɔntan n sewale ni émerveilleux parce que jɔnjɔn yi a dira a di wagati la a dira a dibaga fɛnɛ ma sabula a n'a ka kan n'i ye eh, imam ka parcours ta si tu vois son parcours k'a daminɛ de 2012 ka se bi ma ale ma kan fila fɔ que le mali malidenw ka lafiya an bɛ se ka bɔ jamana bɛ bɔ buruja kɔnɔ an ka diinɛ an danbe le vivre ensemble ale ka kɛlɛ bɛ o de ni a nana fɔ k'a fɔ ko o jɔnjɔn bɛ ta ko ka di o ma d'abord an bɛ jɔnjɔn dibagaw de fo parce que ɲuman dɔnna ani foli ka kan a bɛ komi u y'a ka ɲuman de dɔ a ye donc an b'a f'olu yɛrɛ u ni ce ala ka a ɲɔgɔn caman yira an na ka tila imamu min yɛrɛ kɛra a kɛbaga ye k'a fɔ a yɛrɛ k'a barika an bɛ barika da ala ye ka barika da a kɛra ka barika da imamu yɛrɛ ye k'a ɲini ala fɛ nin min dira a ma nin halisa a ta fanga k'a d'a ma simaya ani kɛnɛya kɔnɔ parce que ni jɔnjɔn in a nafa ka bon kojugu a nafa ka bon mun na eh, ni ɲumankɛla ka ɲuman tora ka dɔn a bɛ mɔgɔ wɛrɛ dusu ka kɛ ɲuman kan ka kɛ fasojɔ kan da dɔ la ni akti in bɛna kɛ i ma ɲɔgɔnna bɛna caya k'a dɔn k'a fɔ eh, tilennenya ani faso kanu ani tiɲɛtigiya ani ala ɲɛsiranya a tɛ foyi se jɔ ma ni bonya tɛ wari tɛ se k'o di kɛwale de bɛ se k'o di ladamu de bɛ se k'o di tilennenya de bɛ se k'o di donc a nafa ka bon fo ka dɔ k'a nafa ka bon an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ nin na vraiment ala k'a ta fanga di imamu ma simaya ni kɛnɛya kɔnɔ vraiment ala k'a ɲɛ mɛn imamu mamutu dugu la parce que a bɛ min kan nin aa n b'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ mali la nka a ka dɔgɔn dɛ parce que ala y'a kɛ ale da labilala ale bilala jamaw la mais an ka sirifu ka sirifu fɛnɛ bɛ yen an bɛ foli bila bu ye fɛnɛ ye nin cɛ fila ninnu fila ka di o ninnu cɛ fila de ma kan fila fɔ maliko la olu ko anw malidenw fasojɔ ka maliyɛn bɛɛ wele bɛɛ ka ɛgisanpili ta imam ta kan k'a dɔn k'a fɔ i bonyali i karamali ka i dɔn dɔ wɛrɛ tɛ baara dɔrɔn de don fasoko ye baara dɔrɔn de n'i ye baara kɛ i bɛ dɔn donc ni yɛrɛ la an b'o kɛnɛ de kan ka tɔw wele k'u dusu k'u kɛ ɲuman kan jugumankɛlaw k'u bagabaga k'u timinangoya ka bɔ juguman kan ala ka jamana sabati ala ka jamana basigi ala k'an bɛɛ sababa ma diyalen bɛ an nisɔndiyalen bɛ vraiment parce que k'a sababu kɛ e, forum mɔgɔw ye hakilina min ta ka mamu diko kɛ homme de l'année vraiment anw nisɔndiyalen bɛ parce que a b'a jira k'a fɔ an tun bɛ baara min kɔnɔna na filɛyɔrɔba tun b'an na min tɛ an yɛrɛ ka jama dɔrɔn ye donc vraiment an nisɔndiyalen bɛ et puis an nisɔndiyalen bɛ parce que mamu diko kumana bi a y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ m5 jɔyɔrɔ ye min ye nin ko in kɔnɔna na mɔgɔ caman kun ko ko m5 sara ko m5 bi ta a bi ta mais ala y'a kɛ bi nɔgɔ bɔra nin ko in bɛɛ ɲɛma vraiment ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an ka jogo ɲumanw ta an ka juguman ninnu bila pour que jamana in bɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bon an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala fo ka ala deli ala ka jamana basigi ala ka jamana lafiya eh, imam diko jɔnjɔn ye taamasiyɛn de ye nka n'i ye ko ta diɲɛ fan bɛɛ jamana o jamana i b'a sɔrɔ maaw bɛ yen jamanadenw bɛ dannaya da maa minnu kan nka o t'a bali demokarasi la mɔgɔw b'u hakilila fɔ demokarasi sariya ye n'i ye jamana in ta k'a lajɛ bi maa minnu bɛ jate maa basigilenw ye maa hakilimaw ye maa kodɔnnaw ye olu ni ma min jɛra jɛw la jɛ minnu n'a ye nɔ bɔ jamana na misaliyala bɛɛ b'a kalama 2012 fanga feere min kɛra imam diko ye wulikajɔ min kɛ sɔrɔsi kɛmɛ ani bi duuru ni kɔ n'u ka denbaya o minɛ awa maaw la minnu tun binna jamana kan o dɔw bɛ jɔyɔrɔba la bi e, jamana kɔnɔ o sɔrɔsiw o kɔfɛ imam mahamudu diko min ye kɔdiko ye code de personne famille jamana diinɛ ko n'a danbe ko wulikajɔ min kɛ ani sirifukuntigi ni silamɛw amadu tumani ture ka wagati la o fana ye koba ye a ye min kɛ imamu diko a ye koba wɛrɛ kɛ jamana kama parce que a ka wulika jɔ fɛn o fɛn n'i y'a kuma ka mɛn jama la jamana ko do o dɔ ye gɔrɔdigɛniya k'o ɲini k'o kalan don jamana kɔnɔ a y'o wulika jɔ kɛ 2019 bɛɛ bɔr'o kalama ani sirifukuntigi asirafu surafa buye imam diko le 5 avril 2019 a ye o kuma kelen min fɔ a ma dogo mɔgɔ si la n'o ye k'a fɔ jamana tɛ se ka to wa k'a labila an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn fa o kɛra le 5 avril ɔ ni 2020 jamakulu minnu ye kodɔnnaw ni kalankɛlaw ni ong ani maa faamuyalen k'a fɔ ɲinan san tubabu jate 2020 ko o cɛba don ɔ a ma bala na a ma bonya a ma nka an bɛ faamuya min sɔrɔ a la o ye k'a fɔ a ka kan an ka an ka maa minnu kɛra cɛ o kɛra muso ye n'u ye ko kɛ jamana ye k'o bonyamasegi k'u ye ɔ anw bolo nin ye fɛn min ye an kan ka walanda de sɔrɔ a la k'a fɔ n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ye ala k'an kisi k'an tanga ni tiɲɛna i bɛ tiɲɛ i yɛrɛ de donc n bɛ se ka min fɔ k'a fɔ ni jɔnjɔn in ye fɛn ye min ni a b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan maa o maa wulila k'a fɔ fanga ka yɛlɛma k'a taabolo man ɲi imam diko ye jɔyɔrɔ min k'o la bɛɛ b'o dɔn ɔ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ an ka se ka camancɛ fanga kɛ hɛrɛ la eh, jamana kalata minnu bɛna le o ka se ka kɛ basigi kɔnɔ jamanadenw kana ɲigi u yɛrɛ la jamana ka kɛ fɛn ye min n'a bɛ sini ɲɛsigi sabati denmisɛnninw ni musow ye ani k'an danbew n'an ka diinɛ tanga ani k'an fara ɲɔgɔn kan komi an yɛrɛ ka jɔnjɔnw an'an ka eh, hakililaw bɛ fɛn min yira un peuple un but une fois hakili la bi eh, maa si tɛ se ka de bonne foi ka o niye k'a fɔ imam diko a jɔyɔrɔ ka bon bi jamana kɔnɔ donc an b'a bila mina min kɔnɔ hukumu min kɔnɔ o y'o ye bon o ka bon d'a ma parce que ne bɛ jate komi dɔw b'a fɔ talibe dɔw bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ mais eh, mɔgɔ n'i karamɔgɔ cɛ k'a fɔ ko i b'o fɔ eh, a ka gɛlɛn mais n bɛ se n ye fitinin min tɔmɔ a nɔfɛ mɔgɔ don ala ye hikima d'a ma ala ye eh, dɔ nɔgɔya ye nka mɔgɔ fana don a bɛ tubabu b'a fɔ min ma une capacité d'écoute a bɛ se ka mɔgɔw lamɛn o dɔrɔn tɛ mɔgɔ majiginnen don mɔgɔ sabalilen don bon a ka wulikajɔ fɛn o fɛn n'a y'a kɛ a kɛra jamana ko de ye n y'o misaliyaw di nka fɛn min bɛ yen ni mɔgɔ caman t'o dɔn ni ne yɛrɛ t'o dɔn mɛ n bɛ fitinin min dɔn a yɛrɛ ye min fɔ n ɲɛna ani n yɛrɛ kɛra min seere barika b'a la duwawuden euh, don ne ma a fa ye ɲɛ na a ye misaliya minnu fɔ ɲɛna ala ka hinɛ la nka ba kɔni y'o ye o tun b'a bolo cogo min n b'o dɔn donc vraiment an bɛ se ka min fɔ barika b'a la dugawuden don mɔgɔ dɔw bɛ i kalannen don nka dugawu t'i kɔ mɔgɔ dɔw bɛ i kalannen don barika t'i la ni i ni maa min bɛ jɛ la barika b'a la n'i ye mɔgɔ hakilima ye kana sɔn jɛ da ka to i la maa min di ko mɔgɔ hakilima t'a f'i yɛrɛ ma ko barika b'i la ou bien dugawu den komi seereya ko don nin ye eh, wagati ko de a ka kan les générations futures u ko o bila u ka minan kɔnɔ ni n ben'o fɔ o ye ne yɛrɛ ka kuma ye adamaden ni ni mɔgɔ min bɛ jɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'o fɔ anw ye i k'a ɲini k'a dɔn i ni jɔnni bɛ jɛ la eh, ni ni mɔgɔ bɛ jɛ la mɔgɔ min a bɛ ko o ko kɛ a nafa bɛ se jama ma o ye mɔgɔ ye fɔ ma tubabukan na généreux nka n'i ye i ni a tigi fana jɛra parce que mɔgɔ dɔw il est généreux nka n'i ni mɔgɔ jɛra mɔgɔ min barika b'a la a b'a mɔgɔ b'a bangebagaw la mɔgɔ b'a sinjiw la karamɔgɔkɛ ni n'o bɛ jɛ i jija o jɛ kana tiɲɛ n'o tɛ ni n'i y'o o kɛlɛ a man ɲɛ ma parce que duwawu ni barika hadamaden i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ diɲɛlatigɛ na fo k'o kɔrɔbɔ o tɛ lahara ko ye duwawu bɛ mɔgɔ min kɔ barika bɛ mɔgɔ min na ala t'a labila n y'o o y'a la vraiment ne kɔni bɛ se ka fitinin min fɔ o y'o ye nka an bɛ duwawu de kɛ ala ka labanko ɲuman di ni seku in ma. mamudu diko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de jama bɛɛ ka mɔgɔ de don alaw taara de mamudu diko dilan k'a di mali ma an bɛ ala fo k'a barikada ni o ye n'a ye mamudu ko di mɔgɔ ma jamana min ma. a ɲɔgɔn ladiri mɔgɔ kilenni an bɛ ala deli ala k'a ɲɔgɔn caya n ye silamɛ bɛ seli bɛ sun ani limaniyaw tɛ kelen ye ala ye mahamuru diko kɛ limaniya mɔgɔ ye ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen cɛman bɛɛ lajɛlen kɛ limaniya mɔgɔ ye a ma nata a ma nata tile kelen a ma nata donc n'i ma nata i ye jamana ta i ko ala ye ko jamana ala tun bɛ nin k'a ye bi an sigilen bɛ nin nin ma bala an na ani fɛn ka kan min tɛ nin si ye ani fɛn ka kan min tɛ nin munna n b'o fɔ jama ɲɛmɔgɔya bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn faga a kama mɔgɔw bɛ kɛlɛ k'a kama mɔgɔw bɛ taga ko jugu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw faga walasa n ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ale ko ko a faso a k'a mago tɛ tɔgɔ la a mago tɛ pilasi la a ko a faso a ko ala a faso ala b'o tigi dɛmɛ o bɔn anw kɔni nisɔndiya ni fila tɛ bi kelen bɛ anw na bi parce que ani nin ka kan n'i ye kɔlɔn min sen i b'o ji de bɔ k'o min donc a ye nin kɔlɔn in de sen a bɛ o ji de bɛna min an b'ale daminɛ fɔlɔ ni ala ka jɛ inshaallahu an bɛ ala kɔ an b'a kɔ ee n bɛ foli belebeleba lase faama minnu y'a di parce que ni ɲumanya kɛra dɔrɔn ɲumanya sara ye ɲumanya ye ni mɔgɔ min ma ɲumanya kɛ a tɛ ta ka di mɔgɔ ma min ye min kɛ a bɛ di o tigi de ma foli fɔlɔfɔlɔ bɛ fɔ mahamudu diko di a jɛn'a ni kɔ ka jɛn diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ ko ala ko faso an b'ale fɔlɔfɔlɔ fo o kɔfɛ waleɲuman min y'a dɔn an bɛ tila k'u barikada an bɛ tila k'u barikada ala k'an n'u fana simaya ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka jamana jidi yarabi ala ka sitanɛ faga ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana sumalen do cogo min an y'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka mali sumaya an y'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye mali janfa mɔgɔ mɔgɔ ye kojugu ta ka mali sɛgɛrɛ ala ka ko d'a tigi ma min b'a tigi ɲinɛ mali kɔ ango ko ala an ko kira de an ko an faso an jamana si sɔrɔ k'a k'an ni nin tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ feereke bila ala ka feereke bila i senkɔrɔ assalamu alaikum warahmatullahi Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de, de la, la, cérémonie euh, de remise de trophée à notre chef, l'imam Mahmoud Diko, qui a eu le mérite d'être euh, <coughs> décoré personnalité de l'année 2020. Bon, nous pensons que c'est le fruit d'un grand travail. C'est le fruit de, un fruit mérité, c'est une récompense méritée parce que, vous savez, l'imam Mahmoud Diko, notre très éclairé imam, aujourd'hui, on aime beaucoup lui donner des attributs tels que le sage, l'éclairé. Tout ça, c'est effectivement lui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est même devenu le recours du peuple du Mali. Il a, par sa constance, par son charisme, par sa façon de gérer les relations avec les hommes, avec les entités, avec les institutions et même avec les États, il est resté cohérent dans sa façon de capter la douleur et la souffrance des populations, de ceux qui souffrent, et de la traduire, en proposition de solutions, en proposition d'approche de lutte de combat. Il est resté constant dans ce mécanismes depuis en fait des années. Parce que je crois que si vous avez vu le film qui a été projeté, le combat de l'imam Mahmoud pour la, dignité du peuple malien, pour la souveraineté nationale, euh, ne date pas de, de, l'ère Ibeka. Ça date d'encore de très loin, depuis au moment du CTSP, depuis le temps des ATT donc c'est une constance dans lutte, parce que tout simplement, moi, je, vois que c'est un homme qui a une vision. Et lorsqu'un homme a une vision, une vision et un idéal, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, cette reconnaissance est une reconnaissance tout à fait méritée. Et il l'a pris, euh, c'est sa nature aussi, c'est un homme très humble, très modeste. Il a pris cette grande reconnaissance avec beaucoup d'humilité. Il l'a dédiée au peuple il l'a dédié à la lutte du peuple, il l'a dédié au M5, il l'a dédié aux hommes, à la jeunesse, aux femmes, à tout le monde. Il l'a dédié aux religieux. Et c'est aussi ça, lui. Il sait qu'il le dit lui-même qu'il n'est qu'un élément. Hein. en toute modestie, il le dit. Et je crois sincèrement, euh, euh Forum Libre, que je découvre aussi, je pense qu'ils ne se sont pas trompés en les désignant personnalité de l'année 2020. Euh, il reconnaît, il reconnaît en toute humilité que euh, le combat reste encore euh, pour les changements, pour restaurer notre dignité nationale, pour ramener la lière et la joie dans le, cœur des Maliens qui souffrent, qui meurent. Il y a beaucoup de, larmes qui ont coulé. il sait qu'encore qu'il y a du travail à faire. C'est d'ailleurs pourquoi il a appelé la jeunesse à beaucoup de patience, à beaucoup de calme. Il a même cité un hadith prophétique lequel il dit le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui a terrassé son prochain, mais le plus fort c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère. Donc ça c'est un appel fort à la jeunesse pour dire que lorsque nous nous battons, ne cassons pas, ne détruisons pas pour aller à l'objectif, mais restons constants dans la liste et restons surtout déterminés. Et on l'a démontré par la grâce de Dieu. Voilà ce que je peux dire et je crois que c'est une cérémonie qu'il a méritée. <laughs> an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ si de kɛnɛ ye ka jamana sumaya an ye nisɔndiyaba de sɔrɔ a la a diyara an ye kojugu ala k'a diya ala ye ala ka silamɛya jidi ka kafiriya nagasi mamadu dukɔ a nana ni jamana lafiyali ye halisa ala ka jamana sumaya ala ka jamana lafiya ala ka silamɛw lafiya surtout ya an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ si ni kɛnɛ ye يا رب العالمين الله الله الله الله الله الله, الله, الله